en terme de droit 10 on va tout renégocier parce qu'il nous faut au moins 60 dans les plus brefs terrains, dans nos richesses naturelles. imaginez suñ la nee le pétrole et le gaz 80 milliards lañ quand on va commencer Soit ko soo vous allez à 800 milliards par année 800 milliards beaucoup pour ce budget voyez le bon que ça fait. La deuxième chose, c'est il faut protéger notre économie L'on est fini muy jaar mooy Macky Sall signé bis buñ ko ratifié bu yóbboo ñu xam filière industrielle suñu agriculture suñu pêche tout est mort nous on devient des consommateurs pour d'autres producteurs mais on est plus on plus troisième chose tout aussi importante Moy, il faut privilégier l'entrepreneuriat national toujours. toujours dans la tous les pays fonctionnent sur la base du patriotisme économique Moui Amérique moui France moui Italie moui la guerre de l'acier dont on nous parle actuellement entre les, États-Unis et les autres c'est quoi c'est le patriotisme économique la guerre commerciale entre la Chine et l'Amérique c'est le patriotisme économique Nous dañ nord d'abord c'est ça notre premier problème on a créé des élites complexées Vous posez le débat mais non attention nous dañoo am ils sont soo ko waxee alors que nous, c'est ça qu'ils appliquent et c'est ça qui justifie leur développement il n'y a pas à recréer la roue si on veut se développer il faut qu'on s'assume et que li nga xam ne mooy la bourse de ci richesse filles, fexe ba mu des fii waaye Sénégal ñu fexe ba privilégier d'hommes. quand j'ai refusé de prendre du carburant de Topal à l'Assemblée nationale. Certains ont dit que c'est de la démagogie politique. Mais que non. Mais Mounoumo Amfi, EDK, Touba, Oil, euh, Elton, je ne sais pas, Elton, des Sénégalais qui se battent pour exister. Nous avons l'argent public. Parce que l'Union de l'Assemblée nationale, c'est l'impôt des Sénégalais. On est dans des entreprises sénégalaises. Je vous une artiste étrangère, vous savez, l'on a fait Fanani de n'est pas possible le premier réflexe qui doit être le nôtre moi, nous, savons on ne développe pas le Sénégal à part avec des entreprises étrangères exclusivement et il faut qu'on renforce nos entreprises pour faire nos suñu entreprise entreprises war a mën nous am war fa am compétence ñu dolleen ko France gis ñu l'argent du contribuable dem des véhicules euh, Toyota wala Ford l'administration française. Parce que la France produit des véhicules, la France produit Renault, produit Citroën. dërëmu français Renault et Citroën ils koy jëndee même si il yeneen marqué yi donc ces gens qui nous disent oui vos discours là c'est du nationalisme eux-mêmes c'est ce qu'ils font tous les jours chez eux pour protéger leur économie. La troisième chose et je vais revenir sur ce qu'on va faire maintenant pour appeler économie. Bon, jàppalee économie nous l'économie, tu crées des emplois Si l'économie, doxul tu ne crées pas d'emplois. c'est aussi simple que ça la troisième chose moi suis le franc CFA on ne peut pas se développer avec le franc CFA je suis catégorique Vous c'est-à-dire que nous jox koppar goo xam ne ñi pas nous pour que nous entreprises entreprise mën continuer liggéey sans supporter les risques de change loolu mooy français on nous dit ça nous permet d'avoir une stabilité. Mais c'est nous qui finançons la stabilité. Bis pour déposer 50 de tes réserves au trésor français nous dévaluer Sauf tes réserves il faut déposer sur su 20 euh, du taux de couverture nous dévaluer Moi, en 1993 je dévaluer parce que nous demande des réserve de à 17 c'est nous qui assurons notre stabilité Ce n'est pas la France donc tous ceux qui disent que la France n'est pas c'est des histoires. Et le pire, c'est qu'on nous dit que nous sommes des incompétents. On est indépendant, on peut gérer une politique de santé, d'éducation, d'agriculture, mais dans nous, on ne peut gérer ce qu'on Sur 54 pays africains, il n'y en a que 14 qui ont ce système monétaire. Et c'est les 14 qui sont classés en bas de l'échelle du développement en Afrique. Est-ce que le Maroc a, a le franc CFA est-ce que la Tunisie a ça Est-ce que l'Afrique du Sud l'a Botswana, Éthiopie, ils ont leur monnaie Le Kenya Kenya d'autres lèvres ça en devise étrangère Mais à partir de maintenant ce lève en naira la leb parce que taux de change bi sur la dette je lève en devise étrangère de sortie. Donc, pour que je me il faut nga am sa monnaie Bon, l'autre élément c'est qu'il faut qu'on reprenne notre souveraineté monétaire c'est un impératif yooyu yëpp nag boo de ressources naturelles, souveraineté monétaire, protection minimale de l'économie dans le respect des accords qu'on a signés du cadre OMC. Priorité accordée aux entrepreneurs nationaux. Beaucoup d'effets créent un cadre qui peut amener le Sénégal vers le développement et donc vers la création d'emplois. Et c'est pourquoi nous, nos propositions dans le programme, parce c'est important. Premier élément, moi, le financement de l'économie il faut que nous rationalisions le financement Nous élevons tous les organes ñu tous nos tourner autour de ça que ce soit le FONGIP le FONSIS euh, ba bi ñu créé pour amadouer les jeunes à la veille d'une élection Nous avons dañ koy regrouper dans le cadre de la caisse de dépôt et cocher consignation mais avec des branches orienter le travail de cette caisse vers le financement effectif de l'économie deuxième chose moi, Denis créer ce qu'on appelle des fonds patriotes pour soutenir deux catégories la première catégorie c'est les entrepreneurs sénégalais on a dit 25 milliards par année sur les 5 ans de mandat c'est 125 milliards uniquement pour soutenir l'entrepreneuriat national deuxième vie, c'est le même montant pour soutenir les jeunes entrepreneurs dañuy et les startups parce que les sénégalais sont très inventifs Masha'Allah soo le domaine des nouvelles technologies partout dans le monde et ici au Sénégal il des jeunes sénégalais qui prennent des initiatives qui réfléchissent et qui inventent des choses mais amenons cet accompagnement qu'il faut pour nous mën nous ce qu'on veut c'est accompagner ces startups là am équivalent Silicon Valley Fi Sénégal sur ce domaine là mais tous les autres entrepreneurs vous bëgg agriculture, qui agriculture qui nous avons un fonds solide de soutien pour que ces jeunes-là puissent entreprendre. Troisième vie moi mobiliser notre secteur privé dans l'exécution des grands travaux, des grands marchés nationaux. Ça, c'était le financement de l'autoroute APH, péage Nous 148 milliards de dollars, 148 milliards yooyu le secteur privé n'a mis que 61 milliards et c'est le secteur privé étranger. Il aurait suffi pour régler le problème Bobo, il aurait suffi simplement d'avoir 150 000 Sénégalais qui acceptent, chaque, acceptent chacun de donner 1 million pour que tu financer totalement ce projet-là et qu'on le fasse avec le secteur privé national. Mais tey def nañ ko une entreprise étrangère nga 61 milliards sur un financement initialement c'était 148 milliards compte non tenu des indemnisations générales, parce que sont sont les pour plus de 300 milliards. Je vous donne 61 milliards, je vous donne autour de la péage, je les tarifs lunaires, je les Sénégalais, vous le Sénégal top 17 ans, parce que n'y a même pas de ça, voire halte. Mais ce qui est le plus frustrant dans ce qui se passe, nos gouvernants, ni mon étude des moyens, regalois à Bibliou, n'y a même pas de ça. Nous n'avons pas de contexte à ça, mais pour tout le monde, nous n'avons pas ça, c'est un élément extrêmement important. Faire les choses en mettant en place ce qu'on appelle des garanties souveraines. Parce que l'on doit lui permettre, on est sur une bourrée qui aime l'exim bank. Parce que soit on aime l'exim bank, par exemple, soit on aime l'exim bank China. Chinois, est aiment les mais dès qu'il y a des taux d'intérêt grands, on parle dans la banque, chantier, tu les faire avec une entreprise chinoise par la force mais kuy ëmb sa on se sa comme on dit. mais fini de faire un fonds de garantie souverain nos entrepreneurs ne pas une place pour ñuy jox parce que l'on est une li ensuite adapter le cadre légal pour un financement participatif Moi, il défaille appel public à l'épargne sénégalais yi quitte ci tane war l'épargne nationale pour financer notre vie. il y a aussi le fonds d'investissement privé des Sénégalais de la diaspora pour participer au capital social des entreprises multinationales parce que nous, nous avons entreprise ci une part minimale du capital pour ramener sénégalais qui ont téye nous devons mettre en place un fonds pour accompagner les sénégalais qui veulent avoir pour les moyens des parts il y a aussi euh, pour dajale toujours les fonds

environnement xaw lan social kan nous avons a wax lan mooy Sénégal et rien que ces organes là ne coûtent 15 milliards minimum par an au Sénégal Nous les surfacturations sur les marchés publics c'est 230 milliards par année minimum au Sénégal waxuma avons la corruption ak yeneen ak yeneen yii yëpp beaucoup boo Il dajalee les moyens de créer le cadre pour booster l'économie et quand tu pousses l'économie, tu crées des emplois par milliers et les jeunes et les moins jeunes vont trouver de l'emploi au Sénégal. Donc c'est ça qu'on vous propose ce contrat, mais on ne va pas venir vous donner des chiffres comme ça. Celui qui dit qu'il fait 1 million d'emplois, il n'a qu'à vous dire comment. Parce que moi, j'ai su économie, moi, j'ai su ressources naturelles, moi, privilégier les entreprises étrangères au détriment des entreprises sénégalaises. Comment est-ce qu'il peut créer des emplois dans ce pays on m'a posé aussi une question. Je vais aller très vite parce qu'on me dit que mon grand frère est arrivé. Euh, on m'a posé également une question sur l'environnement. Débat environnement de au cœur du débat de cette élection-là. J'ai entendu quelqu'un dire que les gens ne parlent jamais d'environnement. Je dit, il faut aller lire mon livre. Parce que nous avons bien identifié les risques environnementaux au Sénégal mooy l'avancée de la mer Bayou ci xel nak mais gis nga li commencé am diggante gox mbaj ger ndar am fi arifis am am fenen si on y prend garde tout le littoral sénégalais géej gi dina ko nangu deuxième risque bi c'est l'avancée du désert au nord dans les 50 ans à venir si on ne prend pas des mesures radicales le Fouta sera invivable troisième risque bi moy suñu forêt yi nga xam tey soo demee masse, nous qui avons grandi là-bas dans tout le Fouta il n'y a pratiquement plus de forêt te ce doon nous avons nous avons économie nationale mais ja nous avons Gambie des gens très très foofu pour réew au Sénégal à ci dara. quatrième risque c'est les remontées salines tey si mi dans le Saloum dans le sud du Sénégal partout Les terres agricoles sont ngi parce que les si sont ngi remonté ça c'est les risques environnementaux yoo xam ne balaa ñu 1 milliard de km de train 38 xam 38 km, kilomètres il fallait prendre des mesures radicales nous avons fait des propositions pour l'avancée de la mer amener des techniques et des technologies et des le Japon nga c'est une ville boo xam waxuma la de la mer waaye ay tsunami lay le Japon a élaboré des techniques très sophistiquées nga xam ci la casser la force des vagues ba yi existe ci ces techniques on peut les appliquer au Sénégal parce qu'on est moins exposé que le Japon il faut y mettre les moyens il faut réorienter les priorités du Sénégal c'est la même chose pour l'avancée du désert et les impacts sur l'agriculture et le levage. c'est pourquoi nous, dañu si on est élu on a ay projets yoo xam la revitalisation des vallées fossiles parce que Sénégal depuis Abdou Diouf ñu mais président bu parce que simplement notre voisin la Mauritanie a dit que nous allons nous prélever du fleuve Sénégal pour alimenter les vallées fossiles alors que nous ñu bokk chaque pays va nous prélever jusqu'à un certain point. mais pourquoi nos leaders continuent J'en profite pour parler des rapports de bon voisinage. À l'Assemblée nationale, je me suis battu contre le partage de notre gaz 50-50 avec la Mauritanie. Senghor avait pris sur lui de donner la rive gauche sans consulter les Sénégalais. Au nom du bon voisinage, il avait pris sur lui de donner une bonne partie de notre frontière sud à la Gambie au nom du bon voisinage ñu ñëwaat ne jox leen suñu pétrole mais xanaa bon voisin benn côté rek la war a dem quand les pêcheurs sénégalais traversent pour aller aux eaux mauritaniennes on leur tire dessus wala ñu ça c'est le bon voisinage suñu pour notre agriculture on a besoin sans compromettre le fleuve Sénégal qui en période d'hivernage par exemple day am crue ndox mi walangaan lépp dem déverser vers le on aurait pu capter tout ça pour revitaliser nos vallées fossiles et recréer les conditions de l'agriculture et de l'élevage. Pourquoi nos hommes politiques reculent devant ça Lorsque nous aussi on est élus, je prends l'engagement. Toutes les vallées fossiles, Mouy Boupaol, Mouy Canal Kayor, Mouy on va les revitaliser parce que ce qu'on a fait, on recrée la vie, l'élevage et l'agriculture dans tout le Sénégal et nous avons 12 mois sur 12, on les trois mois sur plus. Ça, c'est important par rapport à l'environnement. Pour les questions liées aux, forêts, il faut appliquer simplement la législation. Je vais accélérer parce qu'on euh, me dit que le temps qui nous était imparti est quasiment arrivé à terme. On m'a posé aussi une question sur euh, la culture. La culture, comme disait l'homme, est au début et à la fin de toute civilisation malheureusement au Sénégal la culture culture mais la culture c'est un facteur extrêmement important de développement et il faut qu'on conçoive la culture beaucoup plus comme un facteur économique que comme un facteur de jouissance simplement si on redonnait à la culture le cachet du moral dans un pays et pour cela il faut que l'État accompagne sérieusement la culture d'abord nous avons euh, la production culturelle Nous avons les sites culturels Nous aussi les acteurs culturels nous avons des sites culturels formidables avons une nature pour amener, soit dans les îles du Saloum Ou dans les îles euh, euh, de de la Casamance. Djogé, Caravane, etc. Soit les dans le parc de Jute au nord. Partout au Sénégal, il y a des sites formidables que des gens aimeraient venir visiter. C'est des sites culturels, sans compter le patrimoine historique, parce que la colonisation a laissé des vestiges. La deuxième chose, c'est la production culturelle, qui est une production artistique. oui musique, oui danse, oui artisanat de manière générale. J'ai dit hier en Gaï que je peux, plus je ne peux pas admettre que le Sénégal exporte des pauvres alors que nos artisans, qui sont très compétents, ne peuvent pas accéder à, cette ressource-là pour défendre un sac ay à monde entier a qualité de donc il faut accompagner les acteurs culturels par la mise en place de fonds non seulement le fonds culturel national dont vous avez parlé madame mais dans notre programme on a dit qu'on va exiger que dans chaque budget communal et dans chaque budget départemental, nous inscrivons des fonds culturels conséquents. Évidemment, comme nous, avons une politique de décentralisation très approfondie pour que les collectivités locales aient les moyens de notre politique, de bëgg à affaire au niveau national. Au niveau de chaque commune et chaque département, on va inscrire des fonds culturels conséquents pour que depuis la base, le quartier, la ville, la région, jusqu'au niveau national, les acteurs culturels puissent avoir l'accompagnement mais également l'accompagnement social. Les acteurs culturels n'ont aucun accompagnement social. Quel a une protection sociale, quel a une retraite, voilà le dessous amé, quel quelqu'un a une assurance maladie, ainsi de suite. Et pourtant, c'est un pan qui Les acteurs culturels n'ont pas dans ce pays que les fonctionnaires. Et nous, dans notre programme, on a dit qu'on va mettre en place un système allégé de protection sociale avec des transferts de l'État, par exemple tous les impôts à caractère social, la taxe sur le tabac, la taxe sur la, la, pollution, il peut dañ à ce à ce système de protection sociale mais avec des cotisations minimales pour que l'acteur culturel Mouna Fayou, lui et sa famille même on moule les moyens de le faire qu'il puisse à la fin de son à 60 ans Mouna comme ñëpp percevoir une pension, qu'ils puissent être protégés contre les accidents de travail, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est tout un programme. En tout cas, nous invitons à lire notre programme, vous verrez qu'on a beaucoup prévu pour les acteurs culturels. Ensuite, maintenant, euh, je crois qu'il y a une question sur la sécurité routière. La sécurité, de manière générale, on a beaucoup développé et mon temps d'antenne aujourd'hui au niveau de la RTS. il est enregistré hier à Saint-Louis, sur la sécurité. Mais vous savez, la sécurité routière, ça interpelle tout le monde. Là, parce que quand vous voyez cette quelquefois, il y a une autorité au Sénégal, vous vous dites comment ce véhicule a pu avoir une visite ici au Sénégal. Et pourtant, on arrête des véhicules neufs, on les soumet à des contrôles, on les, on les verbalise même, mais tu vois des véhicules qui ont depuis avant ma naissance je veux les ngi et pourtant nous demain contrôle technique nous jox le contrôle technique ça c'est la responsabilité de l'État que ni les ci circulation de aussi les hommes en tenue et qui ferment les yeux sur des cas graves parce que simplement quelquefois pas tous les hommes en tenue je tiens à le dire les gens ont donné quelque chose ça ça relève de la responsabilité de l'État la qualité des routes ça relève de la responsabilité de l'État mais il y a un aspect éducatif important. Chacun d'entre nous doit s'éduquer à respecter au minimum le code de la route. Parce que chacun d'entre nous, nous le connaissons entre Sénégalais, nous faisons ce que nous voulons aussi quelquefois dans la circulation. Chaque jour, nous trompons le def, le Tous ces aspects doivent concourir. Mais quand il y a un État fort qui applique de manière stricte parce qu'on a le même code de la route que le code de la route de la France ou de la première chose Djoko ko Djoko attend, ko connaît les bonnes techniques de culture accompagner ko durant tout ce temps là Vous parlez, vous parlez mu nous commercialiser parce que l'époque, bi ma dugg yëpp Saloum Sine ba Nous, nit ñi nee nañ ma gerte baa ngi nii tomate baa Mais on pour les les les éleveurs les gens sont obligés basaate ko parce que mënuñu commercialiser. Et on s'est rendu compte que cette maillots-là ont une mafia, il faut dire les choses telles quelles, pour qu'avec la complicité de l'État, Moi puisse l'éliminer avec une baisse de 3,4 milliards. Pendant trois mois, on n'a pas eu de baisse. Nous, on nous fait confiance lors de la guerre. Il y a intermédiaire entre 3,4 milliards et l'élimination. Nous, les gens, nous avons 3,4 milliards usine bi ak état parce que l'État bi mooy le garant mais d'autres nangu mu am intermédiaire gannaaw a bu sur la phase bi jiitu mais aussi on met en place des industries qui peuvent transformer tout ce qu'on produit au Sénégal pour créer de la valeur ajoutée kon am nañu yëg-yëg ci mbay mi problèmes naa léegi problème de ndox mi béykat yi tam dañu war xam ni deux mois ou trois mois qui at bi mënul doon bay bu rentable il faut accélérer le Comme c'est les questions qu'on m'avait posées malheureusement tant pis, nous merci beaucoup